les auditeurs et auditrices, vous écoutez le studio Kalangu à travers ses radios partenaires. Merci de votre fidélité. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu qui tombe pile un 1er août. Je suis Samira Wafi et à mes côtés Rekia Arimi pour la présentation. La technique d'aujourd'hui est assurée par Issa Lawali et à l'édition, nous avons la grande dame Adama Dawaki. Bonjour Rekia, en forme ce matin Ça va bien Samira, Dieu merci et j'espère pareil de ton côté. Alhamdulillah. Super, alors qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs eh bien, Rekia, d'abord, nous aurons le Flash Info, la rubrique hebdo qui parle de santé, une bonne dose de musique et une sélection très spéciale qui nous rappelle tous à l'unité, une page sport, le loti offert par le Desk Femme du studio Kalangu. Et pour l'éco des régions Rekia, nous irons à Tilaberi, plus précisément dans la commune de Bankilare, pour évoquer la question de la divagation des animaux en ville et dans les champs en période de saison des pluies. Samira, comme invité du jour, nous recevons Abdul Wahab Hassan, alias Abdul le comédien. C'est un jeune Nigérien qui vient d'Arlit et il est infirmier de formation, mais étant passionné du théâtre, il se lance dans la comédie, puis un moment, il se lance dans la vidéographie et actuellement, il est le promoteur d'un studio de photos et vidéos. Avec lui, nous allons parler des risques et inconvénients de la reconversion professionnelle. Et euh, c'est avec les messages de nos auditeurs que nous allons clôturer cette émission. Chers auditeurs, sans trop tarder, voici pour vous le flash d'information avec euh, Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Samira Rouafi, bonjour Raki Harimi. Le flash d'information à présent. Les opérateurs économiques sous la roulette de la Chambre de commerce ont été reçus hier en fin d'après-midi par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général de brigade Kani Abdraman. Les échanges, tout comme ceux tenus précédemment avec les leaders religieux et les chefs traditionnels, se sont déroulés à huis clos et aucune, aucune communication n'a été faite à la presse à l'issue de la rencontre. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a dépêché hier une mission à l'hôpital national de Niamey afin de constater les conditions de prise en charge des blessés suite à la manifestation devant la représentation diplomatique de la France au Niger. L'objectif de cette visite aux urgences de l'hôpital est de s'enquérir des conditions d'hospitalisation des blessés suite aux manifestations de dimanche au niveau de l'ambassade de France et leur apporter le soutien du CNSP, mais aussi et surtout leur remonter le moral, a déclaré à la presse le colonel-major Abdraman Amadou, membre du CNSP à l'issue de la visite. Pour rappel, ces manifestations de soutien aux nouvelles autorités du pays tenues dimanche 30 juillet 2023 devant l'ambassade de France à Niamey ont dégénéré, faisant six personnes blessées une intervention militaire au Niger pour rétablir le président Mohamed Bazoum renversé par un coup d'État serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali, a indiqué hier un, un communiqué commun des gouvernements de Ouagadougou et Bamako. Les deux gouvernements se sont exprimés au lendemain d'une menace d'usage de la force par les dirigeants ouest-africains réunis à Abuja, au Nigeria. En cas d'intervention militaire au Niger, Bamako et Ouagadougou menacent de se retirer de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et d'adopter des mesures, des mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. C'est tout pour le flash d'information de ce mardi 1er août 2023. Merci beaucoup Mokhtar Hamadou pour ce flash d'informations. Comme annoncé tantôt, nous sommes avec notre invité du jour, Abdelwahab Amadou Hassan, alias Abdel le comédien. C'est un jeune qui nous vient d'Arlit, il est infirmier de formation, passionné de théâtre et aujourd'hui il est photographe professionnel. Bonjour Abdel, tu vas bien j'espère Bonjour à tous, bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, super. Super, euh, Abdul, et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des risques et inconvénients de la reconversion professionnelle. Mais avant de vous donner la parole, nous allons écouter notre première sélection musicale aujourd'hui, d'aujourd'hui. Et je vous propose, chers auditeurs, les titres Hume euh, de l'Unité, une collaboration de plusieurs artistes nigériens. nouveau, venu de cette lointaine terre du renouveau. Hein. avec l'espoir d'une vie meilleure, face aux obstacles, sachez nous serons vainqueurs. Yeah, j'ai fait un rêve, j'étais victoire. En fait, tu me tendais la main avec joie, avec joie. ton sourire, ton sourire, j'ai vu comme un chemin qui peut nous conduire vers le même destin. As-tu pensé? que serait ta vie si tu n'avais pas d'amis, pas de famille, aucune chance d'appartenir à une fratrie Pourrais-tu exister sans patrie Ensemble nous pouvons grandir, conscients de toutes nos forces Mais jamais nous épanouir avec nos faiblesses comme un torse Aurais-tu seulement compris l'importance de ton vécu Si tu n'avais pas appris qu'être solidaire c'est plus qu'un doux Avec une seule voix, nous Un pays qui nous a sélevé. Rejoins la famille de la fraternité. Chante avec nous cette mélodie de paix. Travaillons dans la symbiose. Moins l'avenir, moins beau. Si tu veux changer les choses, n'aime-le point l'air juste que tous ensemble, on se rassemble. Parce que, haha, <laughs> on se ressemble. Pour tous et tous pour l'unité, on viendra toujours chanter. Malgré la vie et ses Samira, cette chanson de l'unité est une collaboration de nombreux artistes nigériens, comme je l'avais annoncé en mai 2014. Nous n'avons pas choisi par hasard d'ouvrir cette émission avec ce titre qui nous appelle tous à être unis et solidaires. Oui, c'est cela, Rekia. Ah, nous voulons qu'à travers cette sélection musicale d'aujourd'hui, que chaque Nigérien garde en mémoire qu'on n'est qu'un. Et euh, c'est d'ailleurs euh, ce que dit la chanson. Vous distinguerez notamment la voix de l'artiste Paz, le groupe Honest, le groupe Crazy Girls, le groupe MDM Crew et Philola Diva et aussi euh, plein d'autres artistes. même force, le même courage, les C'est et tranquillité, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. pour oh, la famille, la patrie, à toi qui ma volonté. Tous ces gens que l'on combat, c'est pour qu'un jour le bonheur vienne. Lorsque ce moment viendra, on se où est sans fin. Cette terre héritière de nos ancêtres ne doit plus être symbolisée par notre mal-être. Avec une seule voix, nous voulons parler l'église unité, sans unité, un pays ne peut s'élever. S'élever. Alors voilà, c'était le titre Ima l'unité, une collaboration de plusieurs artistes nigériens. Maintenant, nous, nous, retournons vers vous, Abdul, le comédien. D'abord, dites-nous comment vous êtes arrivé de la formation d'infirmier au photographe que vous êtes aujourd'hui. Donc, euh, c'était un long parcours. C'était très difficile. Très, très difficile. Parce que euh, j'étudiais la santé, mais ce n'était pas vraiment mon domaine. Et je voulais rester fidèle à moi-même, je ne voulais pas me mentir à moi-même et je ne voulais pas faire un travail dans lequel je serais malheureux. Ah, donc à un moment donné, je faisais les deux en même temps. Parce que pendant que j'avais je, commencé mes études en santé, je m'étais rendu compte que j'étais passionné de tout ce qui est multimédia, vidéographie, photographie, surtout vidéographie. Et je faisais les deux en même temps. Maintenant, fatidiquement, il était arrivé un moment où je devrais me décider. C'est soit je continue mes études soit je suis ma passion. Et vous en doutez, si vous venez voir votre famille, on a déboursé plusieurs millions pour dans, pour, dans votre étude et que vous dites que ah, moi je vais cesser pour que. Pour, voilà. C'était chaud. C'était chaud. Et comment est-ce que euh, la famille a pris cela Bien sûr. <laughs> Ils l'ont pas bien pris au début, bien sûr. Et naturellement. Naturellement, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans, dans les études. Et on n'était pas sûr que ma passion allait me faire manger, tu vois, non Donc c'était très chaud, ça tiraillait et tout. Mais moi, j'étais sûr de moi-même. Je savais que c'était ma passion et Dieu m'a donné un talent, un minimum de talent dedans. je sais que je peux manger dedans. Donc, je, me suis, <laughs> je me suis, je me suis agrippé à ça. Et puis voilà, j'ai continué ça. J'ai carrément laissé les études. La transition n'a pas été facile parce que on va en venir à cette transition qui n'est <laughs> pas du tout facile. Mais d'abord, euh, je voudrais savoir, déjà, tu es comédien, d'où le nom Abdul le comédien. Et puis voilà, il y a la vidéographie et photographie dans lequel tu te sens le moins quand tu es devant la caméra ou derrière la caméra. Je me sens mieux quand je suis derrière la caméra. Ok. Oui, je me sens très mieux quand je suis derrière la caméra. Un petit exemple, une mhm. petite anecdote. Vous connaissez Deux flics à la série. Oui. Au début, il m'avait appelé, c'est Ibou Abakar. Ils m'ont mhm. appelé, viens, on a une petite, vidéo, on fait ça, shop shop. On a fini la vidéo et puis je les entends parler de, bon, là, l'épisode 2, là, on fait comment J'ai dit, quel épisode Ils disent, ah, c'est une série. J'ai dit, ah, ok. Je filmais, j'étais dedans. À un moment donné, j'étais le scénariste. J'ai dit, bon, je vais créer un scénario dans lequel je vais me lever. Je vais voilà, je vais me lever pour me sentir mieux derrière la caméra. Donc, j'ai créé un scénario, je me suis levé, je Voilà. Je me suis mis derrière la caméra. devant les caméras et derrière. Moi derrière la caméra. <laughs> et Abdul, laquelle de ces activités paye mieux Terre à terre. Ouais. <laughs> Entre la comédie, la photographie, la vidéographie. Mm-hmm. Pour l'instant, c'est la vidéographie. Ah, Est-ce que c'est relatif à toi ou bien c'est relatif au marché La vidéo paye le mieux que tout euh, C'est relatif à moi parce que entre la photographie et la vidéographie, je me suis plus penché sur la, sur la vidéographie d'abord. Donc, je me suis spécialisé entre griffes là-bas. Mhm. Et c'est mon domaine d'expertise. Maintenant, la photographie, je suis nouvellement venu dans le monde. Et mhm. voilà. Donc, je fais plus de vidéos que de photos. Donc, c'est naturel que. Voilà, c'est pas global. Super, avant de continuer nos échanges, nous allons euh, vous laisser souffler Abdul et continuer en musique cette fois-ci avec le titre Gargadi de la regrettée Hajia Hamsou Garba. Mme n'est plus à présenter sur cette émission, chers auditeurs. Mère de six enfants, Madame Maïga Hamsougarba était une auteure-compositrice qui a marqué l'univers de la musique tradie moderne nigérienne. Exactement, Rekia. La cantatrice nous a quittés le 5 décembre 2022 à l'âge de 62 ans et dans plusieurs de ses chansons comme celle-ci, elle chante toujours cette belle nation que nous avons et appelle à la cohésion et à l'amour de la patrie. C'était euh, là le titre Galgadi de Hamsou Garba. Retour au studio avec notre invité Wahab Amadou Hassan, alias Abdel le comédien, notre infirmier de formation que la passion a fait attirer dans la photo et vidéographie. Alors Abdul, quel avantage avez-vous tiré ou tirez-vous dans cette reconversion professionnelle Franchement, les avantages sont très très nombreux. Je ne pourrais pas tout énumérer, mhm. mais je vais énumérer les grandes lignes. Déjà, le fait que je sois rémunéré pour. J'exerce ma passion, je suis rémunéré. Je pense même que c'est. Entre griffes, c'est. C'est injuste, quoi, tu vois. je m'amuse à faire mon travail et puis je suis payé, tu vois. Entre griffes. Ça, c'est franchement, c'est un sentiment qui est, voilà, qui est indescriptible, franchement. Mm-hmm. Bien sûr, il y a le côté financier qui est là, j'arrive à me supporter et tout. Il y a le côté relationnel c'est un domaine dans lequel tu tisses beaucoup de liens. Tu vois. Et entre parenthèses, je suis quelqu'un qui, qui est passionné de voyage. Mhm. Et mon travail me permet de voyager presque partout où je veux. Franchement, Dieu merci, Alhamdoulilah. Quand on parle d'avantages, il y a très souvent des inconvénients à côté, n'est-ce pas, Abdul Alors, euh, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on, quand on décide de se reconvertir euh, d'après ton expérience D'après mon expérience, et euh, je ne parlais pas en général, quand on fait une reconversion, c'est comme si on part de zéro. Logistique, relationnel, expérience, tous les compteurs sont à zéro. Donc on doit chercher à tout combler. C'est ça le plus grand truc. Et parmi ceux les plus difficiles, c'est le côté financier malheureusement, l'argent est le centre de tout. Ça, on ne peut pas, le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc, la plus grosse difficulté, c'est surtout là-bas. Mhm. Avoir euh, ce côté financier où tu peux acheter tes matériels, être à l'aise dans ton travail, etc. Voilà, en gros. Alors, euh, pour arriver à avoir cette euh, stabilité ou cette petite stabilité que tu as aujourd'hui, comment est-ce que ça, ça, a commencé Il a fallu faire des petites publicités, de faire, euh, d'utiliser aussi le fait que tu sois connu sur les réseaux sociaux en tant que comédien. Est-ce que ça a compté Ça a beaucoup compté et ça compte toujours. Tu vois Il y par exemple, je prends un exemple. Je suis un fan de Samira Raoufi. Ok Et elle, elle ouvre, elle crée une gamme de moi, je sais pas quoi Mhm. maintenant, le, fait, le seul fait que je sois fan d'elle, je peux me dire, bon, je vais acheter ces produits pour l'aider ou parce que je suis fan d'elle. Et ça a compté. Et quand les personnes viennent chez moi, vous êtes venus parce que si Abdul fait des vidéos qui a qui a créé le studio. Et moi, je fais en sorte que, à travers la qualité de mes, de mes travaux, je rends fidèles les personnes. Tu vois. Mhm. Tu étais venu juste pour essayer ou bien pour, parce que c'est Abdul. Mais moi, à travers la qualité, j'essaie de te rendre fidèle, j'essaie de te rendre abonné. Donc, ça a beaucoup compté, franchement. Le fait que j'ai associé mon image avec mon studio, le mhm. fait que les gens savent que c'est moi qui ai créé le studio et à cause de ça, ils viennent, ça a beaucoup contribué, oui. Alors, avec la comédie, c'est fini ou bien ça continue Ça continue, bien sûr. <laughs> non, avec la comédie, c'est une histoire d'amour et c'est une histoire familiale. Mhm. Une petite anecdote. Euh, j'ai six grands frères. J'ai une grande soeur. Et presque tous mes grands frères, quand on était là-bas à Arlit, on, fait, on faisait beaucoup d'activités culturelles. On mhm. fait le théâtre, les sketchs. Mhm. Quand on est dans les écoles, les lycées, collèges et tout, et quand il y a les théâtres et les sketchs, la plupart de mes grands frères euh, contribuent, ils participent. Mhm. Donc je, dirais que c'est une sorte de continuité pour moi. Et quand j'étais venu ici, à travers mes amis qui et tout, j'ai découvert euh, la, la web comédie. Pour moi, c'était juste les sketchs sur scène et tout. Mhm. J'ai découvert la web comédie, j'ai découvert le stand-up aussi. Donc, fini, non, mais c'est vrai que la cadence a trop. Un peu baissé. Oui, baissé, mais fini, non. Ok, ok. Ah, super, c'est une bonne nouvelle ça. <laughs> Alors, si tu devrais donner un conseil à toutes ces personnes qui se sentent peut-être malheureux ou ne sont pas heureux dans euh, l'activité qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil s'ils veulent se reconvertir Il faut que vous soyez sûr de vous-même. Parce qu'il ne faut pas que vous, vous partez rentrer dans un combat, vous faites Gandagabe et après, c'est pas ça. Vous voyez. Soyez sûr que euh, le travail que vous voulez faire, vous soyez vraiment passionné de ça. Parce que le côté financier vient après. Quand tu es passionné, tu es forcément doué. Ou tu vas, tu vas acquérir des connaissances qui vont, te faire, qui vont faire que tu seras doué. Ne faites pas un travail dans lequel vous n'êtes pas heureux. Ça, franchement, la vie est très courte pour que tu viennes faire un travail dans lequel tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Moi, je refuse de me mentir à moi-même et faire ça. Donc je conseille aux gens de ne, pas faire ça. Sois heureux dans le travail dans lequel tu fais. Amuse-toi dans ton travail et voilà, ça le fait. Fais le bien aussi. <laughs> Fais le bien, ouais. <laughs> Super. Merci infiniment, Abdul, le comédien, de nous avoir non seulement honoré de votre présence, mais aussi d'avoir répondu à toutes ces questions. On te souhaite quand même une excellente journée. Merci, Abdul, et au revoir. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, nous poursuivons cette émission Les Niger sur Kalango, cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire. Et nous sommes mardi, comme d'habitude, nous allons parler de santé. Et aujourd'hui, il est question des fréquentations des CSI par des femmes enceintes dans la commune rurale de Timia. Effectivement, Rekia Atimia, dans le département d'Ifirouane, région d'Agadez, la fréquentation des CSI euh, par les femmes est plutôt bonne et euh, c'est le résultat de la campagne de sensibilisation menée par les agents de santé eux-mêmes et les matrones. Mini Gissa, sage-femme au CSI de Timia, au micro de Habiba Ahmed. to madam la la sashfant fregadan tamla mko tagata haratan cidoden musta sinadu takut na bijin da laktaro wannan wana la la wala khawli cidoden likita wannan na ta sina sinacce da sun da maqaas tanatnara kulli taasina tanak taasina dilikita tabarakallah bismillah sumu gunu shakal san igranicin san likita an tare rasna ta tamfa likita an ci miya da gaskiya halak ta sun ci su makwa makana ta sun ci don nan mas na kal ta sun ci don ci ga da mayan ginnis da nila nila frequentation tan 05 mas na kal ta sun don 6 km inte un sampli de 15 da gan ko kari ta den ta sun da እታ ሲነዳር ተ ኩሉ እገዝና መዳል እንቴን እከልና መገልባን ነሰንፉ ሜራ ተቆጠድ ፍር እገዝና መዳል ኮንሲልታሲዮን ፖስት ናታል Ansang tamiya dan defre gaznamadal mera consultation natal tardive tan san tumro ni jil dishin defre gazna madal lo safra barara ni gilna tan fasna so na zarna ma na shghlu fila adata wem tidodentina adata sinat laktar wahana ashghal zawana ga fila dan adata sinat tidodin wezi sasagra jisassagra na taggeni famrele in kelle matra na taggina snatta nakkani manna ne likita ta naga kokari ta tasin da din tijawate in ken disna on par example e da wandu banan dag sa fanarwa na sakana chimala ga wenka wala amni yan a kullu ajinna suna buzmi kro نقاسنا ولا ون ونمر نقاسا نتغسى مرة ماني مخوتر تنغط ما تمقاسم دلكتور ونادي مرة إلا تمخوتر تبارك الله بسم الله نقودي انت تمخوتر يبان فريكانتاسيو اللي كتا انت لاش أنت مخوتر لكن اللي كتا اننا إلي فريكانتي أرتيا شلو رنشن نمققني انتني إلانت مسألة تفريقة تام تاسة تكتا قد تكتا قد تتزار تكتا سنة أستدز ورزيد تالي سيقال اندبا kaddu igazna madalo lako igazna madalo antare gen daga asof mo surtin tigme ambulance ma jita weninki arto jita wen iban nasa ashurun takot en muggak ترى قلنت ني مغغنت طرا ور مغنتنت ور تلي ماين دي ترانسبور تام تبجانا ترزيت وار موتو تلاسيت مو دي غروسيس تو في المثال التهانا تن محازمن دغ موزرن ون الدين ميدا ونكل Iyodogchim hutarchini lalai mu zaran gaskiya sanan fellasnat manna san sanan fellasnat in tajje wayan agalek sugan kreyan kazu de sante tan kin sam tan zin mahaznat daga agalek in ken nakani de csi wan tim yallar la kazoliye talga de de la csi 05 km csi wayil kamnatas kazu de sante tan kin sam wayil kenan likita asci do sana agalek lam masala tan jizgir csi mo sordo sen fel darana sanda ambulance tar steked intervennim stawiтанngu. بغوي قلنا كاية vous من de هنا كاية تبارك الله دي غور الكتاب اننا كاية de la d'observation la salle d'accouchement la salle de travail salle de garde les bureaux de consultation avoir les matériels nécessaires كل des tables d'accouchement des balances et autres on tout presque tout partenaire on le traitement de On a Zalnato et l'a doté de ceci d'un frigo pour la conservation des vaccins. أرطان مرن ترودن كل غس صورة هنا تنا تمخو ترتني إذا تلم كاتنا الشغل ترودن تكينا دو كونسلتاسيون كينا كينا تني كنور تلم تمخاتر ولية فرد ولية وقوانيا السخف لا لا نكن دي تبارك الله غرد الكتاب أننا ماتيريال غلانت والشغل تاقو وروان لزاجان دان راشيتي موسترا كرا الغارتي عندها نسمحاترا وإذا يمكن نس d'auto-évacuation pour évacuer un malade gréjigna ou dégueulasse. Ça prend du temps, distance. An magagointa asma khitran gada kulli. Gale kalokin gin kokari asuf tawitan d'ambulance wala kilin motayet. Location. Asinana du, évacuation pour les évacuer, c'est aussi un problème. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire Rekia. C'est l'heure pour nous de faire une pause en musique. Oui, Samira, pour ce troisième tour en musique, nous allons proposer euh, le titre Tous euh, unis pour la paix du bloc AUPPN. Chers auditeurs, c'est là l'une des premières, l'une plutôt des premières collaborations des artistes nigériens de tous les styles tous unis pour la paix et la cohésion au Niger. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne chantent plus ou s'effondrent comme euh, Princesse Tifa, Ornella, Hadiza Mangou et j'en passe. Mais les artistes comme Udi Sarki sont toujours là, Ali Tibeli et autres. c'est pour la paix. Toi-même, tu sais, le message, c'est pour le peuple. Tous unis autour de la paix. Pas de règne et de conflit, plus de pardon, d'unité, de la tolérance. La réconciliation des fils du pays apporte à pierre à l'édifice. Euh, Rekia, il est temps pour nous de nous rendre à Tilaburi. Oui, Samira, pour le reportage régional qui nous conduit plus précisément dans la commune de Banquilaré pour parler de la divagation des animaux en ville et dans les champs. Oui, euh, exactement. En période de saison des pluies, c'est un phénomène complexe exigeant une prise de conscience collective et de mesures adaptées pour euh, prévenir le conflit. Les animaux errants dans les champs peuvent causer des dégâts sur des cultures, ce qui peut aussi entraîner des pertes économiques pour les agriculteurs. Le reportage est signé Youssouf Lewat. أنا باز نهار إذا توجسا كده غماس نغرم دغ الزمان وينكسا يمس تمغاتي تمقرد يهور دارجني تدمس ويجين أكلنا الدبارة كنانن فلا ورد قالن يورتي من المشكل دغوي أوي جنس دغ الزمان ونكسا أدين تجرما أنا باز نهار يجان دا توجسا كده هنن سهرين قامي موس شيتن dayfadatan ad wulli imaananedagna samadon daaqarmaha ka daqtu wugas artawin sihalas halas asir sandawi shaqshad yagin يموسن أمقص الطرفين ميدا إيجي إن شخشدن نرتن نيتي دم دخنا النسن يهرا وتندير ويتا جزنين تيوجز الدوبن أرجن شخشد إيماجي يأكل أرتاوين سرسندو زارو هروا يبان مس السجرايين يشخا قابدو يموسن ماجيا كيموس ديا غمادن أداني دون ند دغ تابير تندا ندبازنا هاري دغ توجا دغه زمان ورنا كسر نك وسمين ديغا يوشخا قابدو قالغا ردغ ماك كن هكذا ما دانا اودي ويناسا ايروانا ما دا قالنا اين باسن دغا دقن كول هنان هكذا سجيك ما دانا تلين أي ما دانا نندا تاوانين ايروان فلا توقس ناس نتا توزوقس اما دي هروانا زما فوتندو مباسن دغادي يشلا سادقسني سقياك يسقياك ديق أود مكولا والنرتا أتي تقس تخسي وليلا التخسي دي أستقس تاوغوست أتي تزاتقو متا تقات مباس لا مادانا وينا تبور كيد مباس لا نتقورا سنسمك واست لا ندنقوم دا ماري هروا تيلمينا تنطفنا ديخسي تاو نقلتو متا دين توقسي أتي تقس أزين توقس أتي ديو تتليا كو تتليا دا أتتوتا تدوبا تويت نقامت هراس تقو كامو يشلا تكنسا مش eharei masulila edasa enne hatan awedin goilan eharei ishemen kudi zinza edes igayarat yanda ufas atesekna serku gasambare kna aseher Certains anciens e e se masulideni madanan. Azito ya wili sumwasat. Miatu ya dushita sanatat. Atu doberas na tanahata. Kuti hata ugos negda tu doberas na tsawaga ilore. Nasan erwa nasa agendraiti dim elani na amara ay gawata ay warharana ida. Wilani na ginkul. Mbesti la rada sanata wanfaran. Faranteti di udasan nukul. Glendirsen jewon kendirsen. Wedi milan temeden testa tawan faras. أود ميلان سنة تمارن تاستا تمام فراس مسميتي دين ويلان سموسة سموسة كرارة كرارة لأن تنتمار غاز دغادي استنت فنسا مباسي أنا تاسا سوال أي أي شط دغادي تدو برسنا تنهاتا دا كانت تيرا دي ويد اللي نتمونه تامدين دين قوم دق قلت ما شقة التقني نصرها ادمي ميدا ونسن وهرنا وين فلان ويند كل مباسر عن تعمدين مسدنا أنا ما وتيلا ودم كل مرة هرنس أسيتو قيدا دار ناس كاتو كاتوغدا لكني أجيس مارد يموس نكتب meri tadagam bankalare inna arat wasin tadana sagazan da mushkilin win an tatte mo sanadik kallaiti dima dabaratin anta bayratin akananen zarnen yagafo neti dimatin wullenin asikkallaiti dim tabirit tanna amore nagaf igan ura radio arata wunda nazid gilan dimitin mushkilin kul secrétaire général la mon commune agar mun gam azay tetugas samtiiran meeskulti wugas haybaa qaran dhayd kaar mid kaari haraawan shiweyntatnin garahada shela irtawaadana shelaadhaan mikidham kule gaayakan abaadham kuliga siweynta ugosingesu taraashaqshaad tekleen haraawan walamaadaan dhaqaaharun inta ayhaan herad herad waa ditaweyn akinaas akinaas waa tisalam garmaagiyakan admaadana inta dita wen da kakin as garmagiya kan garma nasan battale da magiya unilai hare batti nila madan unila tabo gos ya dinga harit mira dita bayani shila kinas gert mutamentin sanatat amadan da magiyak mer garmagiyak garman sa mer garmadan garman sa ta gashal nas da qabira ta kudnawi bani dr birit ta konnaf nozi kinnasan dr birit ta sawadim kula den hade a wasin ya gasen na haratan gam ni ta gusan civilisation ba radio aram no nagarwa itidum garma danan garma giyakan sawadum kula da wita bere tanis tibillan na baz nahare da zaman na wanna kasa da tuga sakar da zada mazagan yumos tunfa nargallas nagadim anta hagda hare da da furtin iknati hara hulin nare ganat taf giral hukumat duma da halannis da mawakilin wikil na talaqawin adma da halannis daga wadda qalan Rekia inti billet nigi na baz na Rakia Youssouf Ilewat qui a réalisé ce reportage en ligne. Bonjour Youssouf. Bonjour, vous allez bien Ça, va, bien. Ça va, c'est bon. Ça va. Est-ce que à vous êtes déjà dans cette situation avec les animaux qui divaguent Oui, bien sûr. Ok. Oui, aujourd'hui, euh, comme vous l'avez déjà dit, la divagation des animaux en ville et dans les champs à euh, en cette période hivernale, c'est un phénomène complexe. Parce que euh, vous allez voir dans euh, les champs entourant surtout la ville et dans, dans la ville même, des animaux domestiques, comme nous l'avons déjà dit, les vaches, les moutons et les chèvres, qui se dispersent partout, partout, et euh, ça, vraiment, ça peut poser, comme nous l'avons déjà dit, euh, une mésentente entre euh, les agriculteurs et les, évêques. Mhm. il, il, peut y avoir aussi un conflit entre même la communauté qui vit en ville, c'est-à-dire les, gens qui vivent dans les villes, parce que l'animal peut rentrer dans, une maison et la personne pas peut jeter cet animal, le blesser ou bien... Youssouf Oui. Et quelles sont les mesures prises euh, pour éviter cela Bon, euh, les, mesures prises, comme euh, il y a déjà de la mairie qui, a, qui, a, vraiment donné des, préventions, il faut mener une sensibilisation à l'égard de la population pour qu'ils évitent cette mésentente. Mhm. sensibiliser la population à travers la radio comme ils sont en train de le faire aussi, pour surtout éviter les conflits euh, du plus Ok, merci beaucoup Youssouf. Euh, nous passons également notre bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis Bankilari. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Samira, place au sport à présent avec notre chroniqueur sportif du jour, Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Les pages euh, sport de cette édition est consacrée essentiellement au 9e jeu de la francophonie, n'est-ce pas Soumana eh oui, les 9e Jeux de la francophonie se poursuivent à Kinshasa. Le Niger, représenté à cette rencontre par une délégation forte de 147 personnes, est présent dans plusieurs compétitions sportives et culturelles. Ainsi, le MENA, l'équipe nationale de football, a perdu hier face au Lion du Cameroun par un but à zéro. L'athlète Samira Awali Boubacar, qui a couru hier sur les 400 mètres, va en finale de sa catégorie aujourd'hui à partir de 14h30 heure de Niamey. Ce matin, l'athlète Sagiru Badamasi a couru sur les 110 mètres haies et a terminé deuxième, ce qui lui permet d'aller à la finale de cette catégorie. En lutte, euh, deux lutteurs donc, étaient aussi hier en compétition. Il s'agit de Zakirou Zakari, plus de 100 kg, et Noura Hassan, 97 kg. Ils ont participé hier à la lutte olympique, une lutte méconnue au Niger, et tous deux ont perdu les combats. Merci, Soumana pour toutes ces informations sportives. Après cette page sport, passons au portrait du jour. a. tu nous présentes qui ce matin euh, Dans notre rubrique portrait, nous allons à la découverte d'un restaurateur. Âgé de 51 ans, Abbé Ahmed Brigi, alias Grambé, il est natif de Niamey. Euh, son activité principale est la restauration à Niamey. Avant d'ouvrir son propre restaurant, il fut restaurateur dans un restaurant européen pendant

to songo ayi ba nim kese gram be ko difo no ni be nera ni restaurant o wora o ay ti ngwari galgaje woni rwane yodu mo dang dey ngwari kan bol be ba da an sa ngwari ken ya dang gadi kantone ya te stack ya har kul giti to songo il faut que tu suji ndo gomne kan dun go kan go tera wallahi ma kan masha Allah rana hiji masha Allah ay cinara ay gon mota la to ni kan alborno ni gante mat no ni goma wallahi goma kani ego visi ferme ke guma kane kun ba fonda wa bonde gi ngwar ko lay ha bombere ku sega lay ay e sig zay ay e sig ngware ay e kam gone go to borago diamu ne go aka sego mo no ne ba gidu sande ara sande no no no no ay be gidu sande zama yo jama ko no ay si bor fitna ay bor chendi kay gama wat kulu wat kulu ko no har hara ani basu mati zure ne zur karando to yande wala to songo ifo no ne te chien kan ni te irgni funaido irgni funaido ma wala ir koma ci mo kang ba goyi ingin si gaksine bore kan ga ba goyo ingin si gaksine bor bore kang wani goyo ingin si dan goyora so iru woni won kuna aigi ti reception ya aigi te pose cafe ya yiri jin bore wo son zanke gun so ayo izene wole wo aigi don dugwe isi go burku banda to il faut si isi créer jeune senge mo burku dungu bon woni ken kena ima lutte contre le chômage e criminal to go gote charbi da kul kote go jangeno fa go jangeno kuna hor ne rewo ribin kono wara arano ne ngwa ne gudu no din ko go no fo no roki bana arano gede ngwari jenan dino din asroti me ni ko ne rawo ni ngwara ni go fantara ayo bina ran kuna ay zan kai bo wat se ay ba ni bor mu wani mu wani go kan ay gwani kan ay te mara ni mom ko jim tene bon wodi ne wat ko ay sidda babe strebol kusi mu wani go kan ra ay wani ni mu wani ni ko te bon gine imne ay do no fo ngono kan ay wat ko Merci à Oumu Oumoru pour ce magnifique reportage. Rekia, il est l'heure pour nous de faire notre dernière pause en musique. Vous êtes gâtés aujourd'hui sur cette émission Les Niger Circalongo, avec toutes ces belles chansons d'unité et surtout avec plein et plein d'artistes. Voici pour les titres Irma Bachare, une collab des artistes nigériens. d'être pieux vis-à-vis du maître de la terre et des cieux. La différence de religion importe alors peu si nous adorons tous le seul et même Dieu. Niger ya yi maka shi ta guda domin kwanciyar hankali cikin ƙasa shi ne arziki Je te reconnais pas, mon frère nigérien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mais tu le fais, une solution qui ne change rien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Agissons comme on a et hérité. Militons dans une femme, faites cette unité. Si j'ai il me tourne gâté à fond. نیشەر ڕۆی سەی پیرمەتون گەباچێرێ نیشەر داوچێ کەنوەری بەلالاچێ نیشەر داوچێ کەنوەری بە کۆمەبایە هەیفۆ های nigérisé que chacun de nous se fasse une mèche pour allumer la femme de la paix alboron de way borga zankaga alberiga nigérisé wonir makamba dan chakamba Galbarkada irbora gaba kasine dan irbine raga chabe an dunya sa amadi amane tubari kala jose se yonde gamane zombe sane yola beze e makamba dan jose e matenya foda baba Fou, la Kalakane kana mazombe sane yola bora on a le fleuve on a les dunes mais on a aussi le désert pour de la jeunesse. Mais on est pour le métissage. On est des peuls des canouris, on est papa et gourmandier, on est Touareg et des bébés, on est Zama et Foulani. Et c'est tout ça qui fait le Niger. Oh, oh, oh, God. Niger, on essaye, il me tourne gâté à fort. Niger, on essaye, il me tourne gâté à fort. Niger, on essaye, la la Niger ou bien je vais dire c'était le titre Irma Bachere, une collab des artistes nigériens. Et on revient au studio pour découvrir cette fois-ci euh, le loti du jour avec les femmes du studio Kalangu, n'est-ce pas Rekia Tout à fait Samira, la rubrique Affairage d'aujourd'hui parle sur euh, l'incivisme. il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'incivisme dans la ville lors des manifestations. Rukayeto Abdraman et Mariam Adé nous en disent plus. passe ici Apparemment, c'est une manifestation. Viens, on va se mettre de côté, sinon on risquerait de prendre des pierres à la figure. <laughs> Viens par là des AA. Ah, ah. Mais tu as peur de quoi comme ça Calme-toi un peu. Me calmer tu ne vois pas qu'ils cassent tout sur leur passage Et si les machettes se perdent sur nous Des machettes même, tu exagères. De toute façon, tu as toujours été une peureuse. Je préfère être une peureuse dans ces genres de situations en tout cas. En plus, ils commettent des actes de vandalisme, de l'insuivisme pire et simple. Comment ça Qu'est-ce que tu veux dire par ce gros français Tu ne vois pas ce qu'ils font Casser les feux tricolores et autres panneaux de signalisation, dégrader le goudron avec ses pneus brûlés et les monuments saccagés. Ah, d'accord, c'est ça l'incivisme oui, tu vois, le civisme désigne le respect, l'attachement et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, le respect de ses conventions et de ses lois. L'altération de ces espaces publics n'est pas un avantage pour nous tous. Mais pourquoi ils font ça alors Certainement par manque de civisme, de dévouement pour le bien de la nation. C'est tout simplement un non-respect des règles de vie et de la recherche de ses intérêts personnels. Ce n'est pas tout, hein. Le civisme, c'est aussi rappeler une partie de nos devoirs citoyens envers les édifices publics, les feux optiques, éviter les constructions anarchiques, des cassis sur les voies publiques, éviter de jeter les ordures dans les caniveaux pour ne citer que cela. Mais elles doivent être punies dans ces cas. Il n'y a pas une loi contre ça Bon, je sais que le Code pénal de 2003 du Niger, en son article 389 dit que quiconque aura volontairement détruit ou renversé ou tenté de détruire ou de renverser des monuments, ponts, digues, voies publiques ou privées ou autres constructions qui ne lui appartiennent pas sera puni d'un emprisonnement de 2 à moins de 10 ans et d'une amende de 10 000 à 5 000 francs CFA. Je ne suis pas juriste hein, pour rentrer dans les détails. Oui, oui, oui, tout ça, ils le font quand même. Peut-être ils ne savent rien de cette loi. En tout cas, s'ils se font prendre, ils vont comprendre. En attendant, nous, on va se chercher. Mais Biba, essaie au moins de leur parler comme tu connais un peu. Qui, moi Mais tu ne m'aimes pas, hein Qui va m'écouter ici Regarde comment ils ont l'air possédés. Progressons discrètement, c'est mieux pour nous. Et puis tu disais que c'est moi la peureuse. <laughs> faire par le desk femme du studio Kalangu. Retrouvons cette fois-ci euh, notre collègue euh, Gongo Mahaman Anthony. Il est responsable du desk Hausa du studio Kalangu. Et avec lui, nous allons découvrir ce que signifie le mot patrie en Hausa en français. Bonjour Gongo. Bonjour Samira. Bonjour Reiki. Alors, euh, le mot patrie est à l'ordre du jour aujourd'hui. La patrie, c'est la communauté sociale et politique à laquelle on appartient, pays habité par cette communauté pays où l'on est né ou auquel on appartient comme citoyen et pour lequel on a un attachement affectif. La patrie est la terre des ancêtres, le pays d'où l'on est originaire et qui nous est cher, la nation ou la communauté politique à laquelle on appartient. C'est le pays dont on se sent étroitement et affectivement lié par l'histoire, la langue, la culture, les traditions, les habitudes de vie. La patrie assure à l'individu les conditions indispensables à son développement intellectuel, moral, social et économique. C'est pourquoi ce dernier doit d'abord reconnaître ce qu'il a reçu d'elle et continue de recevoir pour être en mesure d'agir en toute justice vis-à-vis d'elle. Alors, je m'en vais raconter ce que je viens de dire en français en hausa la patrie al'ummar mutane ne da ke zaune wuri guda ta tare ma'ana ƙasar da aka aihi mutum ko da aka zama tamkar ɗan ƙasar ne da ake ƙamna aka shaƙu da ita shaƙuwa kuma ta so da gaskiya wurin da kakanni da uwaye suka zauna ƙasar asali da aka baiwa daraja ƙasar da ke da mallakin kanta inda asalin al'ummar yake ƙasar da ake so sosai a shaƙu da ita ga kuma ratayuwa a gare ta bisa tarihi yaren da ake al'adar ta biyoyin mai tabbatar da yanayi da na rayuwa bunƙasar ilimi hali na gari zamantakewa da tattalin arziki mai fa'ida godiya ga tattalin da ya samu da ake ci gaba da samu domin aikata gaskiya da adalci to a takaice kun ji fasarar patri a hausa To mun gode Mun gode Gungu Muhammad Dantani da wannan karin bayani da kuka bamu kuma masu sauraron mu si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir euh, l'explication n'hésitez pas à nous laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64 et justement l'antenne est à vous chers auditeurs. ya eh, lalle kan mu Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kamo mu ita wannan studio kalangu wanda a gaskiya muna jin daɗi bisa kan shirye-shiryen da ake yi musamman kuma da ake yin su eh, bisa kan eh, wannan harshe namu na ƙasar Nijar kamar harshe biyal kenan a gaskiya an taɓo gabas da yamma kusum da arewa jansi zansi daban-daban na wannan ƙasa tamu kenan alhamdulahi kuma shi wannan studio kalangu eh, shirye-shirye nashi wannan a gaskiya yana ƙayatar da ni musamman Eh, shirye-shirye na wajen yara manyan gobe don saboda shi yaro an ce a bashi tarbiyya a bashi ilimi kuma a kula da kiwon lahiyar shi da sauransu a gaskiya muna kara yabawa da cido kalangu da ta dohu sa'a wannan ake samu ana yin wannan shirye-shirye kuma akwai abubuwa da suke katar ne musamman da ake zuwa a iske wannan fada-fada inda mutane suke zamne a eh, yi bayani da su a kai tsaye kuma ana yi ana aika a gaskiya fi sabilillahi wannan suna katar ni kuma ba wannan cikin watan biyu musamman sha uku da shi na ji an hudu uh, sabon lokaci daga sha ɗaya zuwa sha biyu sahe a gaskiya lokaci ne wanda eh, ya zama ƙari ne bisa kan wancan wanda ake na biyar zuwa bakwai na marece kenan a gaskiya shi ma wannan an yi tunani an yi nazari da aka samu aka hudu wannan abin da muke fata wannan studio karangu Allah ƙara jan zamanin shi kuma bayan wannan a samu a ƙara huddarwa wasu abubuwa wanda za su ƙara ƙayatar da mu fiye da muke zama duk inda dan club club da dan fada fada yake da dan association ina gaida su suna na fatsima ahmadu karce daga mannata to ina gaida kowa da kowa musamman zuwa ga shirin nan da ake na mata na kalangu lalle da ba mu sauraron shi amma yanzu muna sauraron shi ɗari bisa ɗari muna so a ba shi ƙarfi bisa ga wannan al'amari don mata su rika saurare da yara musan menene yake kawo cika tsakanin mu da yara mata kenan a rika waye musa kai na gode kuma Allah ya taimaka Allah Ubangiji ya ba da kokari a cikin wannan al'amari musamman bisa harka shaye-shaye na muna so a rika waye ma yara kai a san abin da suke ba ci gaba bane kenan su nema abin da zai ba su ƙarfi bisa rayuwarsa ta gaba eh haka muke fata kuma Allah shirya Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs du studio Kalango, c'est aussi euh, et surtout la grande édition du soir. Et justement, nous sommes avec Nafissa Adamou, notre collègue chargée de présenter le journal en français. Bonjour Nafissa. Bonjour Akia. Quels sont les grands titres de ce soir Alors, suite à l'interdiction par le ministère nigérien du commerce d'exporter le mil et le riz, les femmes étuveuses de riz de Gaïa se réjouissent. Vous les entendrez dans notre édition d'information du soir. Ensuite, nous irons à Difa où des cours de vacances sont donnés par un cabinet d'expertise aux élèves pour faire face à la baisse de niveau provoquée par la fermeture de plusieurs écoles pour insécurité. Et dans la partie magazine, nous irons à Kony pour découvrir un centre de formation de jeunes femmes dans plusieurs activités. Rendez-vous donc à 17h. Merci. Merci Nafissa, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Rekia Arimi et Samira Wafi. C'était merveilleux de passer une heure aussi agréable vous sachant à l'écoute de cette émission, chers auditeurs. Le rendez-vous est donc pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, on avait Issa Laoli et à la grande dame Adam Adawaki, notre chef d'édition. Excellente journée à vous et à bientôt. bye. bye.